ñu nekkoon neuf candidats neuf candidats yëpp ben mbibét lañ amoon mooy defar Thiaroye donc Dieu a fait quand même que tey un Sène lañ tànn tey mu nekk le nouveau maire de la commune de Tiaroy Gar. donc là je rends vraiment un vibrant hommage aux femmes mais surtout à la jeunesse ku dans les différents centres de vote de la commune de Tiaroy thiaroye nous constaté une forte mobilisation dans la jeunesse. Le vent de changement qui a soufflé partout, c'est ce même vent de ce changement qui a soufflé à Tiaray. La seule différence, c'est que dans les différentes communes, c'est soit Yo Askenbi, soit la coalition Bernobokayagar. C'est de grandes coalitions. Ici à Tiaray, ce n'est pas une grande coalition politique, mais c'est une coalition citoyenne composée des différentes forces vives de la commune. Nous avons pour dire la tête de cette municipalité, Tiaray. d' accord mu mel ne rek boobu lay jongante am na ñoo xamante ni bokkaloon nga ko ak ñoom lan ngay wax ñi nga xam ne ñoo di say adversaire non ce ne sont pas des adversaires c' tout simplement des concurrents pour tey defar caaro yi Dieu fait comme la commune je les tends tous la main Je reçois l'appel du premier magistrat de la commune Je reçois l'appel de Mamadou qui est le candidat de et des autres candidats que ce soit Pap Sangane que ce soit Makodou ils ont m'ont tous appelé pour me féliciter et m'encourager pour me dire que c'est un vaste sentier pour xamni certes que je suis le capitaine mais ñom ñoy ñep candidats ils font partie de cette équipe et la c'est qui gagne il n'y a pas un perdant

mënul voté Thiaroye Ousmane Sonko mënul voté Thiaroye Idriss Seck et les autres waa Thiaroye Gare ñoo mën a voté Thiaroye tey waa Thiaroye Gare dans une majorité écrasante ñoo choisir Mbaye Sène am si moom collectif jàpp ni doxalin bu doon doxin baaxul wala doxalin bu doon doxin am na ay jumte yoo xam ne mbay seen am nañ si yaakaar te war na mën a apporter ces changements donc yaakaar boobu nag dafa fort di ñaan yàlla rek yàlla mu ñu ko teg yal na ko yàlla may ñu attan ko et espoir bu jeunesse bi parce que je parle toujours de la jeunesse et les femmes bu ñu am si mbay seen bu soobee suñu borom rabbi j'ai la forme conviction du ñeen décevoir incha inshallah rabbi. d'accord une dernière question yaa ngi wax léegi léegi walum changement fi ci diwaanu Thiaroye Gare ginnaaw ba nga xamni askan bi voté nañ la nga nek à la tête tay di changement yi en quelques mots rek mun nañ xam lan ak lan lay doon. Non, priorité, j'ai l'habitude de le dire, c'est un rattrapage infrastructurel. Il suffit tout simplement d'entrer dans le marché, de constater la route 103 qui est dans une situation vraiment désastreuse depuis plus de 20 ans. La route Télédialo, la route de Djamagan, même si ce ne sont pas des domaines de compétence du maire, mais il faut des doléances extrêmes pour la population c'est une commune qui c'est 0 km de pavage. 0 km de réseau d'assainissement. Donc euh, pendant la saison des pluies, nous sommes tous les sapeurs-pompiers. Donc les chantiers sont énormes mais gëm nañ avec l'État centrale gëm nañ avec euh, tout simplement le pouvoir central que dinañ mën a jàppalante pour que tey say le visage ide bi nga xam ne tey moo tax population Thiaré jóg ce visage vraiment ñu changé ko de telle sorte que que tamit Thiaroye Gare vraiment nekk parmi les communes les plus vraiment les les les plus attractifs les plus attrayantes donc c'est ça l'objectif tey ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu réussir cette euh, mission. ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar.